forum du le forum du studio le forum du le forum du le forum du Il 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger et disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou ainsi que sur notre site internet www.studiokalangou.com le forum du studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou traite du blocage du Conseil national de dialogue politique au Niger. Le Conseil national de dialogue politique, le CNDP, est un organe qui a été créé le vendredi 30 janvier 2004 par décret numéro 2004-030 PRN PM pris en Conseil des ministres. Le CNDP est un cadre permanent de prévention, de règlement des conflits politiques et de concertation entre euh, ses membres autour des questions d'intérêt national, précise le communiqué du Conseil des ministres. Il importe de le souligner que depuis plusieurs mois, ce cadre formel de dialogue et de concertation entre les différents acteurs politiques est en léthargie. Pour développer ce sujet, nous avons dans ce studio Yahya Garba, secrétaire permanent du Conseil national de dialogue politique CNDP, Yaya Garba, bonsoir. En ligne, nous avons Siraji Isaka, secrétaire à la communication du Bureau politique national du MPR Djamouria au pouvoir. Siraji Isaka, bonsoir. Bonsoir, du côté des non-affilés, nous avons Ambali Inoussa euh, du CPNP Africawa, du Front des partis politiques non-affilés pour l'alternance démocratique au Niger. Inoussa Ambali, bonsoir. Bonsoir. Nous attendons d'un moment à l'autre euh, Ali Maman euh, du côté de l'opposition politique nigérienne. Il est membre du bureau politique national du RDR Tchangi. Le CNDP permet de créer les conditions de stabilité et de consolidation des institutions démocratiques et républicaines. Il est chargé de promouvoir le consensus autour des questions d'intérêt national et des principes démocratiques et républicains. Il doit à cet effet veiller à ce qu'une concertation s'instaure entre les membres, notamment à travers la Constitution, la charte des partis politiques, le code électoral, la régularité des scrutins, les prérogatives constitutionnelle des institutions, l'accès équitable aux médias d'État, le droit de l'opposition et le code d'éthique politique. Le CNDP est également chargé de contribuer au renforcement de l'unité nationale par l'enracinement de la culture citoyenne au sein des populations. Yahya Garba, secrétaire permanent du Conseil national du dialogue politique CNDP, êtes-vous d'accord que le CNDP est aujourd'hui bloqué il est un peu difficile euh, de répondre à votre, votre question. Et sinon, je répondrai par euh, euh, oui et non en même temps. C'est-à-dire Alors, c'est-à-dire que quand on dit que le CNDP est bloqué, oui, on peut considérer que le CNDP est bloqué si on considère que le CNDP ne vit que quand il tient régulièrement ses réunions. Parce que le CNDP, dans ses textes, il est prévu que le CNDP tienne des réunions ordinaires. Il est aussi prévu des réunions extraordinaires en cas de, besoin. Aujourd'hui, il est évident que depuis un moment, les réunions du CNDP ne se tiennent plus du fait d'une euh, incompréhension au niveau des, groupes qui composent le CNDP. Mais cela ne veut pas dire que le CNDP est mort. Cela ne veut pas dire que le CNDP est définitivement bloqué. Au contraire, le, le, CNDP existe. Et au niveau des trois groupes qui composent le CNDP, il faut s'en réjouir. Et tous les trois groupes admettent aujourd'hui l'importance du CNDP et le rôle combien important que joue le CNDP dans la vie de la démocratie du Niger. C'est pourquoi, au niveau des trois groupes, tous considèrent que la solution à ce qu'on peut appeler la crise aujourd'hui se trouve au niveau du CNDP. Et Dieu merci, les contacts continuent, même si c'est de l'informel, au niveau des différents groupes des partis, pour renouer avec le dialogue. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il y a quand même les partenaires du Niger qui étaient à la base de la création du. disons, qui ont aidé à la création du CNDP. Il y a des partenaires du Niger aujourd'hui qui déploient beaucoup d'énergie beaucoup d'efforts pour que le dialogue reprenne au Niger. Il y a beaucoup de partenaires qui soient localement installés au Niger ou ailleurs, qui déploient beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour que le contact reprenne au niveau du CNDP. Donc on peut considérer que oui, il y a, il y a des problèmes, il y a un dysfonctionnement qu'on espère passager on souhaite que ce, ce soit le plus court euh, possible. Dans tous les cas, le CNDP a l'habitude de connaître euh, ce petit fonctionnement. où il y a un groupe qui n'est pas d'accord euh, avec, une disposition ou une mesure qui se retire du CNDP, mais ça n'empêche pas que ce, ce, groupe revienne immédiatement. À ce niveau, pensez-vous qu'un véritable dialogue est possible quand la majorité au pouvoir brandit sa position confortable en lieu et place de la recherche du consensus je n'ai pas bien compris ce que vous appelez par position confortable parce que le CNDP est composé, selon le décret, de trois groupes la majorité, l'opposition et les non-affiliés. Maintenant, il y a bien sûr le, gouvernement. On peut considérer qu'il euh, fait partie du CNDP. Et les réunions du CNDP sont présidées par euh, le, premier ministre, assisté souvent de certains ministres. Alors, euh, je ne pense pas que la majorité ait une position la majorité ou l'opposition ou bien Est-ce que là-bas c'est la majorité qui prime ou bien c'est le consensus euh, qui est recherché, qui est toujours recherché Non, les décisions du CNDP se prennent par consensus. Et ça a toujours été le cas. Et je vous dis que même demain, si les différents groupes politiques devaient s'entendre pour retourner à la, à la salle de dialogue, je vous assure qu'on va sortir avec un consensus. En cas, de tradition, le CNDP a eu toujours euh, cette qualité, cette force. Et chaque fois, quel qu'en soit le problème qui est soumis à débat, les partis politiques, les groupes des partis politiques finissent toujours par s'entendre. Il suffit que chacun bouge un peu par rapport à sa position. Tout le blocage, si on peut considérer ça blocage aujourd'hui, c'est parce que on ne s'est pas encore retrouvé eh, au niveau de la salle de, de débat. Il suffisait seulement qu'on se retrouve euh, autour de la table du dialogue. Euh, je suis certain que le CNDP va reprendre. Je suis certain qu'on va sortir avec le consensus parce que on a vu quand même euh, euh, par le passé, et à plusieurs reprises, le CNDP a fait face, il a fait face à ce genre de situation, il a pu surmonter ce genre d'obstacles. Alors, euh, moi, je garde l'espoir. Siraji Saka, secrétaire à la communication du Bureau politique national du MPR Djamouria, comment voyez-vous ce climat difficile au niveau de ce cadre de change et de consensus Merci euh, bien euh, je crois bien, vous avez bien écouté euh, Yahya Gerba, secrétaire permanent du CNDP. Je pense que la personne qualifiée à pouvoir expliquer ce blocage. Mais nous, au niveau de la majorité, nous pensons que le CNDP est bloqué du seul fait de, de l'opposition. Parce que vous vous souvenez des efforts de médiation du Premier ministre, chef du gouvernement, pour amener l'opposition à reprendre euh, le chemin des dialogues. Euh, vous vous souvenez de toutes ces initiatives qui ont été à, l'époque organisées pour amener les opposants à prendre leur place pour que le Conseil national des dialogues politiques, comme on les connaît dans son rôle dans notre pays, puisse euh, voir ses réunions, ses, activités normales. Donc je pense bien les opposants ont une autre vision de la politique au Niger. Ils ont estimé un certain nombre de réquisitions que le gouvernement ne peut pas accepter dans un pays normal, un blocage de l'opposition, il estimait, José, je parle sous contrôle de Ayagerba, l'opposition à, l'époque a posé sur la table de négociation pour elle les élections passées, les élections générales 2016. Pour l'opposition, les élections doivent être reprises comme préalable de retour de des opposants sur la table de négociation. Vous voyez, c'est des choses qu'on ne peut pas accepter dans un pays normal dans un pays démocratique, dans un État sérieux. Nous avions organisé des élections dans ce pays. Les autorités ont été installées conformément à la Constitution. Nous demandons aux responsables de, l'opposition de bien vouloir, pour euh, créer les conditions d'un climat politique apaisé, de revenir sur la table de négociation et reprendre leur place au niveau du Conseil national de dialogue politique. C'est ensemble, en dialoguant, qu'on trouvera certainement le problème posé par la classe donc je pense, moi, de mon point de vue, le blocage du Conseil national de, dialogue politique aujourd'hui est du seul fait de l'opposition nigérienne. Siraji Saka, secrétaire à la communication du Bureau politique national du MPR Djamouria, comment expliquer, ce long Silence, et cette rupture de dialogue entre les différents bords politiques, eu égard aux multiples contestations et aux remous sociaux Il y a un adage qui disait qu'à l'impossible, nul n'est tenu l'opposition, même aujourd'hui, s'ils ont besoin de regagner le Conseil national des dialogue politique, je pense que personne ne va les empêcher de, le faire. S'ils reviennent au meilleur sentiment, considérer qu'il y a un pouvoir légalement installé, élu, qui a le mandat populaire, qui a la confiance des Nigériens, c'est à cela que nous demandons à euh, l'opposition de faire preuve vraiment d'une grande maturité politique pour supporter et accepter la différence revenir discuter avec la majorité et ensemble on trouvera le, le consensus nécessaire pour les élections à venir qui nous attendent. Parce que ça là c'est du passé. L'opposition doit reprendre sa place pour dialoguer en vue de reconstituer en tout cas euh, une certaine sérénité au niveau de la classe politique parce que bientôt c'est les préparations des élections générales à venir. Je pense bien que les hostilités politiques vont en tout cas commencer ils vont se tourner vers euh, la préparation des élections de 2021. Donc, de maintenant, l'opposition doit accepter de revenir à la table de négociation pour qu'on puisse discuter, comme dans le temps, euh, construire quelque chose. Puisque ce Conseil national des dialogues politiques, on ne doit pas oublier que c'est un organe consultatif. Il n'est pas constitutionnel. C'est juste pour créer un consensus au niveau de la classe politique à l'époque que ce Conseil a été installé. Donc, dans le cadre de ce consensus, nous leur demandons ouvertement de venir euh, reprendre leur place parce que personne ne les a empêchés de revenir. Aujourd'hui, à ma connaissance, si les opposants écrivent au Premier ministre pour lui demander la tenue d'une réunion du Conseil national du dialogue politique sur un ordre du jour, en tout cas acceptable, je ne pense pas si ça va être refusé. J'informe nos auditeurs que le représentant de l'opposition politique nigérienne, Ali Maman, qui est membre du bureau politique national du RDR Tchangi, vient de nous rejoindre dans ce studio. Ali Maman, bonsoir. Bonsoir. Ali Maman, pourquoi votre coalition, le FRDDR, a choisi de déserter le CNDP Parce que ce qui se passe au CNDP n'est pas du tout régulier et ne ressemble pas à une, euh, disons, à un État démocratique. Parce que la majorité, naturellement, doit aller en premier dans le sens de l'intérêt général et non pas de l'intérêt particulier. Or, nous avons constaté. Qu'est-ce que vous appelez l'intérêt particulier, particulier c'est-à-dire qu'elle tire la couverture devant elle et elle abandonne naturellement ceux qui sont appelés d'abord à lutter contre elle dans le cadre de l'alternance probable et également contre le peuple parce que dans tous les cas, ce n'est pas uniquement la majorité qui constitue le peuple. Cependant, il faut que la majorité accepte d'écouter l'opposition et les non-affiliés. Ali Mamana, pensez-vous que cette attitude est bonne pour le Niger en proie à trop de défis Mais elle est mauvaise. Elle est très mauvaise, cette attitude, et pour le Niger et pour les Nigériens dans leur ensemble. Parce que si le dialogue ne peut pas se faire entre les partis en démocratie, je ne vois pas dans quel régime cela pourrait être possible. Vous avez aujourd'hui, c'est vrai que hier on avait les colons, mais aujourd'hui on a <laughs> des, colons. Donc par conséquent, il faut nécessairement qu'ils acceptent de faire des concessions. C'est une obligation en, démocratie. Il ne faut pas penser que non, non, non, c'est un tiraillement, il faut que chacun... Euh, non, il faut que je gagne parce que j'ai la majorité. Non, il faut que la majorité puisse écouter, si vous voulez, les intentions ou les souhaits de l'opposition et l'examiner au fond si cette solution est bonne pour le peuple, même si elle est contre sa propre majorité, parce que dans tous les cas, la succession, on avait dit démocratie, il y a alternance. Or, il ne peut y avoir alternance que lorsqu'il y a un minimum de concessions. Inoussa Ambali, représentant le CPNP Africawa, qui est membre du Front des partis non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger. Quelles sont les autres sources du blocage Donc, euh, de manière un peu succincte, j'ai bien d'entendre les intervenants qui m'ont précédé étant un peu d'accord avec euh, les propos ou les justifications apportées par le secrétaire permanent. Mais le second qui a fait une sorte de procès, vraiment son intervention ne peut en aucun cas me convaincre. Parce que le CNDP, il faut se rappeler que, dès au départ, c'est un organe qu'on a créé où la fondation a été ratée tu ne peux pas construire un bâtiment sans fondation et dire que tu vas continuer à l'utiliser. quand la fondation a été ratée Quand je parle de fondation, moi je suis un des groupes qui à un moment donné ont fait de ça même un préalable pour que cet organe-là soit doté de règlement intérieur. Parce que s'il y a un règlement intérieur au niveau du CNDP, je crois que la plupart des incompréhensions allaient être évitées. Mais je ne sais pas pour quel intérêt la majorité, comme vous prétendez le dire, n'avait pas voulu que cela y soit. Les groupes de non-affiliés avaient insisté. Ah, de manière insistante, le groupe de non-affiliés a toujours réclamé à ce que cet organe soit doté des règlements intérieurs, l'opposition idem. Mais quand on parle de désertion, un grand groupe comme l'opposition, comme un regroupement de non-affiliés, ne peut pas déserter un cadre aussi crédible que le CNDP pour rien. Si tel est le cas, ça veut dire qu'il y a une raison qu'il faut chercher à vérifier. Vous savez, cette affaire, elle prend sa source à partir du comportement de celui qui détient de la force. Nous avons affaire à une majorité qui souffre d'un mal, c'est-à-dire qui souffre de la suffisance, qui pense qu'elle se suffit à tout et qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour résoudre un certain nombre de questions. Ce CNDP, là s'il existait, même les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui sont relatifs à la loi des finances et consorts, si le CNDP existait, c'est un organe qui normalement doit siéger chaque fois avant la tenue d'une session parlementaire. Et nous sommes euh, à quand remonte votre dernière participation au CNDP Et sur quoi vous vous êtes euh, quitté Le 6 octobre 2016, euh, je crois qu'à partir de cette date-là, notre groupe n'a pas encore pris part à une réunion du CNDP. Et qui dit CNDP parle de dialogue. Sinon, si vous demandez quelqu'un de la majorité, il va vous dire que le CNDP a continué à siéger. C'est comme si vous regroupez trois personnes qui sont appelés à tenir des instances. Deux personnes absentes. Une personne reste. Elle tient un semblable de réunion. Ça, là, on ne peut pas l'appeler réunion du CNDP parce que quand on parle de dialogue, elle doit avoir deux ou plusieurs parties. Mais une seule partie, un seul groupe ou une seule personne ne peut pas rester étaler ses pensées et dire qu'il y a eu une, euh, comment on l'appelle, session du CNDP. Donc nous, à partir d'ici, octobre, comme je le disais tantôt, 2016, on n'a pas encore pris part à la réunion du CNDP, si bien qu'il y a eu d'autres semblables de réunions qui ont statué sur un certain nombre de questions qui d'avance avaient été traitées avant de venir à la réunion. Et je crois qu'à la fin, c'était seulement la publication qui a été faite. Donc, le CNDP, comme l'a dit le secrétaire permanent, c'est vraiment un organe utile pour la bonne marche des activités politiques au Niger. C'est un organe très utile. Et que pour que ce CNDP-là puisse reprendre ses activités, il va falloir que chacun accepte de faire un dépassement de soi. Que cet organe soit doté, il existe comme il l'a dit, puisqu'il a répondu par oui et par non. Je suis plus ou moins d'accord avec lui. Par oui ou par non, c'est comme si c'est un être mort vivant. Il est là, mais il ne peut servir à rien. Il est là, mais il est inutile parce que toutes les questions qui sont aujourd'hui en train de faire des polémiques on aurait dû les régler depuis le CNDP. Si moi, j'ai participé à une réunion du CNDP et que j'ai accepté à ce qu'une telle loi soit votée, je n'ai aucune raison d'aller à une manifestation qui dit qu'elle n'est pas d'accord avec euh, cette loi-là. Donc c'est de là que le problème est né. Yahya Garba, vous venez là d'écouter tous les trois protagonistes. Vous avez quelque chose à ajouter avant de clore euh, cette partie Je vais juste euh, insister sur le rôle du CNDP et sur la nécessité pour la classe politique, sur la nécessité pour les, les, trois groupes qui composent le CNDP et de renouer avec le dialogue. Parce que tous les partis politiques s'en souviennent du rôle important que le CNDP a joué dans le fonctionnement de notre démocratie. C'est vrai que c'est un organe consultatif, mais euh, bien qu'étant consultatif, le CNDP a permis à la classe politique de régler beaucoup de problèmes. Particulièrement quand il s'agit des questions électorales. Des questions électorales euh, dont on connaît pour être euh, des questions très sensibles. Alors, euh, depuis la création du CNDP, et chaque fois qu'il y a des, élections, et régulièrement, le CNDP est saisi soit par la CENI, ou le groupe des partis politiques, ou bien le gouvernement même, et pour qu'on trouve des consensus, pour qu'on trouve un compromis sur certaines questions, et ça facilite l'organisation des élections. C'est pour vous dire, en résumé, que le CNDP vraiment est important. Et la classe politique en est consciente. Alors aujourd'hui, c'est rappeler les uns et les autres ou bien d'interpeller la classe politique pour qu'on pour qu'on renoue avec ce dialogue, surtout qu'on a un processus électoral devant nous. Et moi, je pense qu'on est obligé de nous entendre. Autant, nous, à notre niveau, au niveau de la classe politique nigérienne, qu'on s'entende entre nous, que de chercher à attendre des médiateurs qui vont venir d'ailleurs, parce que dans tous les cas, il faut dialoguer. Que ce soit à l'intérieur du CNDP ou dans un autre cadre, le dialogue là, il est indispensable. Et nous Inoussa emballé euh, du Front des partis euh, non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger. Quelles sont les autres conséquences qui peuvent découler du blocage du CNDP rapidement les conséquences, comme l'a dit le secrétaire permanent, c'est que le CNDP, s'il fonctionne, il permet à plusieurs questions qui créent aujourd'hui l'incompréhension de ne pas avoir lieu. Mais entre autres, pour aboutir à sa reprise, avant de parler de ce qui s'appelle engendrer, je crois que pour parvenir à réhabiliter cet organe-là, je disais tantôt que nous devrons faire un dépassement de soi, mais les uns doivent apprendre à respecter les autres. Oui, mais quelles sont les conséquences du blocage Les conséquences du blocage, tel que l'avait dit l'autre, elle empêche d'accéder à la compréhension les uns face aux autres. Parce que toutes les questions que nous sommes en train de vivre, aujourd'hui il y a des élections qui viennent. Parce que quand je parle de, euh, respect, c'est parce que tout simplement aujourd'hui, nous sommes en train de mener une vie où les uns ne respectent pas les autres. Si vous prenez par exemple y la question de la CENI, avant même d'aller au CNDP, une CENI est conçue où la majorité est prévue, l'opposition est prévue, mais quelqu'un a dit que non, non, je n'ai pas besoin de non-affiliés. Alors que les non-affiliés ont l'intention de présenter des candidatures à tous les niveaux possibles. Et si déjà quelqu'un peut dire que non, j'écarte un tel, je prévois celui-là et celui-là. C'est comme si le droit ou le pouvoir de décider lui appartient. Donc, dans ces conditions-là, quelles que soient les conditions qu'on réunit, on ne peut pas réunir avec le blocage que nous sommes en train de vivre. On ne peut pas aller à des élections, comme l'a dit l'autre, à des élections sans dialogue, sans consensus. Quel qu'en soit, même si ces élections-là sont propres, il y aura une partie qui va dire qu'elle n'est pas d'accord. Même si elles sont les plus propres du monde. Quand on n'est pas parti par consensus, il y aura l'autre qui va, parce qu'il y a toujours les plus faibles, il y a toujours celui qui, dans les élections, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec des magouilles. Siraji Saka, secrétaire à la communication du bureau politique national du MPR Djamouria. En dehors des préoccupations d'ordre politique, quels sont les autres aspects pouvant faire euh, l'objet de discussions au niveau du CNDP Mais c'est tout ce qui concerne le moctar euh, la marche de notre démocratie. Je précise que cet organe est un organe euh, consultatif. C'est juste une occasion pour la classe politique de s'entendre avant que les textes et les choses sérieuses concernant notre démocratie soient transmis soit à l'Assemblée nationale, soit au gouvernement. Il faut au préalable que la classe politique se concerte avant que les choses soient officielles. Et ça, le rôle, euh, en tout cas, du CNDP, parce que au début de notre démocratie, en 1993 particulièrement, le Conseil-là n'existait pas. Et pourtant, la, les élections ont eu toujours lieu. Aujourd'hui, c'est un peu dommage au fait que les opposants soient en marge de la marche de notre démocratie parce qu'en refusant d'intégrer ce Conseil, comme si on se met à l'écart de la marche de la démocratie. Ce n'est pas une bonne chose. Nous leur demandons de revenir au meilleur sentiment, de revenir pour qu'on organise les élections dans notre pays, pour que chacun puisse trouver son rôle. On ne va pas se trancher derrière le CNDP pour totalement planifier un agenda. On voit tellement les opposants, on connaît leur stratégie, on connaît leur calendrier. On se connaît très bien. Le mieux, c'est de revenir au meilleur sentiment pour qu'on puisse s'entendre et organiser les prochaines élections et que le maire gagne. Siraji Saka, secrétaire à la communication du bureau politique national du MPR euh, Djamouria, à qui profite cette rupture de dialogue au sein de la classe politique À personne. cette rupture, ça ne profite à personne. C'est comme j'ai dit. Aujourd'hui, le, premier ministre du gouvernement, je parle sous contrôle du secrétaire permanent, bien que c'est un acteur neutre donc de ce débat, je pense bien le Premier ministre a tellement fait de son mieux et il est reconnu pour sa sagesse, pour euh, tout ce qu'il est en train de faire pour que la classe politique, souvent, se retrouve. Il y a des moments où le Premier ministre tranche en faveur de, l'opposition. Si ce n'est pas ça, ils n'ont qu'à dire non. Pendant où il était, au moment où il participait aux, réunions du Conseil national de dialogue politique. Donc euh, aujourd'hui, ces blocages-là ne profite à personne. malheureusement, les conséquences, c'est que l'opposition va être en marche, la marche de la démocratie. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Siraji Saka, comment faire pour euh, une meilleure reprise euh, du dialogue au sein du CNDP C'est très facile. L'opposition n'a qu'à regagner ses places. C'est tout. Demain, s'ils acceptent de revenir au Conseil national des dialogues politiques, il suffisait simplement d'écrire au Premier ministre. Donc l'objet précis et consensuel d'une réunion éventuelle du Conseil national des dialogues politiques. Vous allez voir qu'il n'y aura aucune hésitation. Le Conseil national des dialogues politiques va se réunir tant qu'ils vont laisser ces imaginations-là, que c'est dépasser les élections de 2016, il y a des autorités installées, légales, qui sont en train d'exécuter, en tout cas, la confiance que les Nigériens ont placée en eux. S'ils acceptent en face d'eux, il y a un gouvernement digne, il y a un gouvernement élu par le peuple, je pense bien le problème est terminé. Tout ce qu'ils vont proposer dans le cadre d'un dialogue éventuel, qui concernera naturellement l'organisation des échéances à venir, je pense bien on va s'entendre tous. Et opposition, là, ce n'est pas, ce n'est pas un truc où quelqu'un va rester, penser qu'il va rester éternellement. le on ne parle même pas que c'est une position, moi, que je n'ai jamais appréciée. On ne peut jamais être au centre et dire, ce n'est pas au centre même. Je ne sais pas en termes d'idéologie où est-ce qu'il faut placer le non-affilié. Siraji Saka, on va revenir vers vous. Euh, le temps de donner la parole à Ali Maman. Ali Maman, euh, membre du bureau politique national du RDR Tchangi au Niger, la démocratie peut-elle prospérer euh, sans le CNDP Monsieur le maire Difficile à dire. Parce que le CNDP, lorsqu'il a été créé, c'est parce qu'il y avait déjà la démocratie. Seulement, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une tribune de dialogue il fallait, fallait la créer. et donc, le CNDP a été créé en conséquence. Et il a marché les gens se sont entendus. Et oui, vous vous rappelez, euh, je n'ai pas besoin de dire la période, vous savez ce que c'est. Euh, mais euh, là, les acteurs ont changé de place. Imaginez que c'était, disons, une continuité logique, régulière. Sans eux, vous verrez que le Niger serait différent de ce qu'il est actuellement. Le dialogue est indispensable, quelle que soit la forme que l'on peut lui donner il est indispensable que ce soit fait entre nous-mêmes ou naturellement par l'intermédiaire d'autres arbitres. C'est indispensable. Sinon, naturellement, c'est, si vous voulez, la loi de la force. Or, vous savez ce engendre Voilà. Ali Mamana, membre du bureau politique national du RDR Tchangi, quand est-ce que l'opposition politique va prendre, quand est-ce que l'opposition politique va prendre sa place euh, au sein des pays Bon, disons, quand est-ce que le dialogue sera repris C'est beaucoup plus euh, logique. Et naturellement, lorsque les acteurs en présence accepteront de jouer vraiment le rôle de la démocratie, le rôle de la recherche du consensus. Mais si vous dites nous sommes majorité, nous sommes non, c'est la loi de la non. Ce n'est pas le règne de la majorité comme certains, vous le savez, ils l'ont dit, ils l'ont répété à plusieurs reprises. Donc euh, nous le savons. Et ils ont l'habitude de dire leur slogan, c'est le chien à aboie, la caravane passe. Voilà. Donc, avec cet esprit de ce genre, comment voulez-vous que la reprise puisse être possible Est-ce que l'opposition politique, euh, de son côté, ne peut pas créer les conditions pour une reprise euh, du dialogue Mais je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a des instruments qui ont fait l'objet de consensus en son temps. Revenons sur ces documents et vous voyez que l'opposition prendra sa place de manière régulière. C'est vrai, j'ai eu déjà à le dire dans d'autres circonstances. Ces lois qui sont prises, c'est vrai. Et la majorité a effectivement décidé de prendre cette loi. C'est tout à fait normal. Mais euh, oh, elle aurait mieux fait en écoutant aussi un autre son de cloche et en essayant. Ce n'est pas. C'est-à-dire que les, les lois ne doivent pas être faites pour se perpétuer au pouvoir. Si vous, naturellement, vous avez la possibilité de faire tout. Mais jusqu'au jour où, naturellement, les choses ne vont plus marcher. Mais n'attendez pas cela faites un effort vous-même de faire effectivement de sacrifice, d'entendre l'autre, d'écouter l'autre et d'être euh, loyal vis-à-vis de ceux qui vous ont élus. Parce que si jamais vous vous maintenez au pouvoir, <laughs> ben, au contraire, cette loyauté disparaît d'elle-même. Yahya Garba, en dehors des acteurs politiques euh, nigériens, y a-t-il d'autres acteurs tels que ceux de la société civile qui peuvent prendre part aux réunions du CNDP Oui, bien sûr, euh, selon les textes du CNDP, il y a les partis politiques les membres du gouvernement, mais il y a aussi les grands témoins. Et les grands témoins, c'est la société civile. C'est la société civile, c'est les, responsables religieux. Quand je dis responsables religieux, c'est euh, pour le cas du Niger, c'est le président de la session du Niger, l'archevêque de Niamey. Mais il y a aussi le, président de la CTN, la session des chefs traditionnels, qui ont toujours pris part à nos débats, mais au-delà de, ces grands témoins nationaux, euh, on peut inviter aussi, on a l'habitude d'inviter eh, à nos débats d'autres partenaires du Niger surtout les partenaires qui nous accompagnent euh, sur les questions électorales. Garba, secrétaire permanent du Conseil national du dialogue politique. Le CNDP a aussi vocation, avec euh, l'appui des partenaires dont vous venez là euh, d'évoquer, d'initier des séances de formation à l'endroit des membres des partis politiques. À quand remonte la dernière séance de formation Non, non, en fait, le CNDP, en dehors de, des consultations au niveau du CNDP lui-même, L'autre mission du CNDP, la deuxième mission qui est aussi importante, c'est le renforcement des capacités des partis politiques à travers des formations euh, que le CNDP peut organiser avec l'appui des, partenaires. Ils sont nombreux, les partenaires du CNDP, qui, nous appuient dans les formations qu'on donne au niveau des partis politiques. Et la rupture du débat entre griffes au niveau du CNDP n'a pas empêché aux formations de se poursuivre. Parce que euh, tout récemment, d'ailleurs, on a fait quand même le tour de, huit régions du Niger dans le cadre d'une formation sur la consolidation de la Et Dieu merci, au niveau de ces formations, tous les partis politiques ont pris part. Je pense que le conflit, s'est animé. Mais au niveau des régions, les, partis politiques comprennent que, bon, en tout cas pour les formations, il n'y a aucun problème, euh, il n'y a, pas de problème, ils peuvent prendre part aux, formations. Sinon, je pense que si vous avez écouté les différents intervenants, en tout cas qui ont parlé au niveau au nom des trois groupes, vous avez compris que tous les groupes ne remettent pas en cause l'utilité du, CNDP. Et c'est pourquoi moi je pense qu'on peut... Il y a de l'espoir. Et c'est pourquoi moi je me réjouis. Tous les groupes, qu'ils soient de la majorité, l'opposition et non affiliés, tous reconnaissent l'importance du CNDP et la nécessité même de, renouer avec le dialogue. Parce que le CNDP, comme l'a dit le, maire, comme c'est un organe que la classe politique elle-même s'est donnée parce qu'elle elle sait que euh, le CNDP est important, le dialogue est important dans la démocratie. Et je vous informe qu'il y a beaucoup de pays qui sont venus s'inspirer, s'inspirer du CNDP du Niger, de l'expérience du Niger. Je pense que ce n'est pas à nous maintenant d'abandonner d'abandonner cette expérience heureuse. je pense que vraiment, il y a lieu d'interpeller encore la classe politique pour qu'on se ressaisisse, pour qu'on reprenne le dialogue. Ambali Inoussa euh, du Front des partis non affiliés pour l'alternance démocratique euh, au Niger, vos propositions de solutions pour une reprise rapide du dialogue entre les acteurs politiques au Niger Merci. Donc en termes de propositions pour euh, des perspectives ou pour une reprise des activités du CNDP, comme l'ont dit les uns et les autres, c'est vraiment un instrument utile pour la bonne marche de la démocratie c'est un instrument qui favorise vraiment la compréhension entre les différents acteurs. Parce que toute vie ne marche que quand il y a le dialogue. Même si aujourd'hui les différentes parties décident à l'amiable d'entretenir leur rapport par la guerre, ce qui est sûr, on va finir par le dialogue. Donc le dialogue, il est vraiment incontournable. Le dialogue, il est vraiment utile pour toute vie. Dans ce cas de figure, c'est comme l'a dit le secrétaire permanent, nous, on n'a rien contre le CNDP. On n'a rien contre la tenue des activités du CNDP. Tout ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, c'est que nous ne sommes pas d'accord d'aller à une réunion ou à une instance avec quelqu'un qui se croit être le plus fort et qui ne respecte personne, qui ne considère personne, qui pense que tout ce qui n'est pas bon, il faut le lier à l'autre. Parce que tout simplement, il est opposant, tout en oubliant que j'ai fait 20 ans d'opposition. C'est ce sur quoi les gens ne sont pas d'accord. Et le CNDP, comme vous l'avez demandé, ne peut marcher, même si on dépend les activités du CNDP. Moi, je vous assure qu'on ira nulle part. Car tu ne peux pas créer. Il faut être optimiste, Ambali. On ne peut pas créer un instrument comme le CNDP et dire qu'on va le gérer sans règlement intérieur. Ça n'a pas de sens. Parce que quand il y a le règlement intérieur, il y a certaines questions par rapport auxquelles on n'a pas besoin d'être diversifié. Quand il y a le règlement intérieur, tout le monde sait sur quoi il doit marcher. On sait comment il doit fonctionner, comment les choses doivent se passer. Mais quand il n'y a pas de règlement intérieur, il suffit que quelqu'un soit plus fort que l'autre. Elle va chercher à lui imposer ses idées. On a tout vu. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas vu. Quelqu'un qui dit que moi j'ai 80 parties avec moi, donc avec et ou pas, l'un qui est 12 parties les autres n'ont qui tel nombre de parties avec et ou pas, on peut faire une réunion et c'est la majorité qui fait la réunion. Et dans ces conditions, dans ces cas de figure, vous voyez, il est difficile d'amener l'autre partie à accepter les dialogues. Parce que c'est comme vous l'avez demandé tout à l'heure, je ne suis pas en train de vous vouloir euh, rentrer dans votre temps qui est prévu. C'est qui le plus grave dans cette affaire, j'ai parlé du respect. Quand l'autre partie ne respecte pas les gens, elle ne considère pas les autres, le dialogue là, il est pratiquement impossible car le, vide profite à une partie qui est animée d'une mauvaise intention, d'une intention cachée quoi. On parle d'élection tout à l'heure. C'est là où je voulais venir. C'est pourquoi j'ai oh ben, j'ai demandé presque la permission de revenir. C'est-à-dire quand quelqu'un a une intention cachée, une intention cachée, j'ai dit, c'est qu'il n'est pas d'accord à ce que le dialogue soit permanent. Parce que quand j'ai mon intention... Intention cachée, ça veut dire concrètement euh, quoi Quand j'ai des, intentions de faire ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire d'organiser des élections à ma manière, telle que je l'ai vis et telle que ça m'arrange, c'est que je ne veux pas que l'autre m'approche. Parce qu'il va voir comment j'ai fait. Et quand il y a le consensus, il y a certaines formules de fraude et de vol qui ne peuvent pas s'appliquer. Ali Mamana du RDR Tchangi, représentant l'opposition politique nigérienne, vos propositions de solutions pour une sortie de crise Comme l'opposition l'a toujours dit, euh, je soutiens euh, naturellement le camarade de, l'un affilié parce qu'il est indispensable naturellement d'avoir un règlement intérieur. C'est vrai que euh, les acteurs d'antan, tous sages qu'ils étaient, ont fait fonctionner sans règlement intérieur et que la jurisprudence est là, elle est connue. Et ça a bien marché. Les gens s'entendent, euh, naturellement, ils se font des concessions et ça va d'avance. <laughs> Vous voyez, aujourd'hui, parce que simplement la position des uns et des autres, euh, disons, a changé, donc euh, il y a peut-être ceux qui ont des ambitions très grandes ou trop grandes euh, c'est peut-être pour ça que l'entente. Des ambitions trop grandes, euh, expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire, quand vous voyez, voyez par exemple la manière dont la loi a été taillée, la, le code électoral, qui contient naturellement la CENI et sa structuration. Mais comparez-le à ce code-là, comparez-le à celui de 2010, où tous les acteurs étaient, étaient euh, naturellement mis ensemble et on, on, fait le dialogue, on a fait le CCN et ça a marché, on a fait euh, un code électoral qui convient à tous. À ah, et les positions, doivent, les positions doivent évoluer. non, non, mais ce n'est pas une question d'évolution. C'est le minimum qui rassemble les gens. C'est ça le point de départ. Or, vous ne l'avez pas. Puisque vous, eux, fort d'avoir donné cette, euh, ce code électoral, il estime que tout est fini et qu'il faut s'accommoder, s'en accommoder. L'opposition dit non, dit non que les choses ont été faites effectivement. En, vous voulez une révision C'est-à-dire il faut, il faut nécessairement qu'on mette de côté le code électoral. Un. Ensuite, deux, il faut nécessairement au niveau du CNDP qu'il y ait un règlement intérieur qui consacre la, disons, les trois composantes et effectivement aussi qui détermine le processus de consensus et de décision en cas de non-consensus, par exemple. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont extrêmement. Et puis, maintenant, pour ce qui concerne la gouvernance, ça, on en parlera plus tard. Mais faisons d'abord en sorte que ça, là, que elle, la majorité, l'accepte. Si elle l'accepte, je pense que les conditions sont réunies et le peuple est témoin, et les grands témoins aussi sont là. Les choses peuvent. Quand on parle de, de forum, quand on parle de, de deuxième conférence nationale, en fait, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, on veut déterminer, disons, un instrument qui, qui s'imposera à toutes les deux parties. Et c'est ça. Et cet instrument-là, c'est naturellement devant des arbitres crédibles. Et aussi, une fois que cela a été arrêté, signé, et puis bon, ben, les choses peuvent rentrer dans l'ordre sous la surveillance naturellement de de, des arbitres. Siraji Saka, secrétaire à la communication du Imper Djamouria, proposez-nous des solutions pour une reprise rapide du dialogue entre les acteurs politiques au Niger. Merci beaucoup, Mokhtar. Donc, rapidement, il faut que l'opposition accepte de revenir à la table de dialogue. C'est la première condition. Si l'opposition accepte de reprendre sa place au niveau du Conseil national de dialogue politique, vous allez voir, tout va marcher et tout ira dans le meilleur. Euh, certainement, si l'opposition accepte de, reprendre sa, place. Le dialogue, comme euh, tous l'ont souligné, est important pour euh, la démocratie nigérienne pour euh, tous tout ce qui s'ensuit au, au regard de ce qui, qui nous attend, c'est-à-dire l'organisation des élections générales à venir. Donc l'opposition doit, doit accepter de revenir sur la table de négociation et le non-affilié, bien évidemment, parce que les conditions subjectives que les uns et les autres proposent créent une situation où la, tenue du CNDP est, est incertaine. Voilà. Donc vraiment, il faut que les acteurs puissent accepter de revenir au meilleur sentiment pour que le, Conseil national des dialogues politiques puisse retrouver ses, crédibilités d'antan, pour que le consensus prévale. Et par hasard, vous voyez le Premier ministre donc, euh, de la République du Niger est un homme de consensus. Donc, euh, nous souhaiterons, dans le meilleur délai, que l'opposition accepte de, de revenir au meilleur sentiment pour participer aux travaux du Conseil national des dialogues politiques comme solution Rapidement, c'est ce que je préconise, c'est ce que je propose. Yahya Garba, secrétaire permanent du Conseil national du dialogue politique, vos propositions de solutions rapidement Il n'y a rien de plus facile que, le, que la reprise du dialogue si tant est qu'on est animé au niveau des, des, différents acteurs euh, de la nécessité de reprendre euh, ce dialogue. Parce que et les procédures du CNDP sont, très souples. Elles sont très souples dès lors qu'aujourd'hui, euh, tous les groupes individuellement pris peuvent euh, demander la convocation, la convocation d'une réunion. Et le président du CNDP, le Premier ministre, va examiner ça et répondre euh, favorablement. Et euh, même pas les groupes, même les partis politiques, selon les textes, il suffit d'avoir le, quart de l'effectif du CNDP pour, pour, demander la convocation d'une réunion. Donc aujourd'hui, il est très facile de, de réunir avec le dialogue. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tout à l'heure, je vous parlais de la position des, différents groupes de partis politiques qui sont très favorables, qui connaissent bien le rôle que joue le CNDP. Moi, j'aimerais quand même vous, dire que même l'opposition et les non-affiliés qui ont boycotté certaines réunions, d'abord, chaque fois qu'on convoque ces réunions, l'opposition et les non-affiliés ont eu à répondre. Et dans leur réponse, c'est vraiment sur la forme, ce n'est pas sur le fond. C'est juste pour dire, bon, la forme. Vraiment, c'est des petites contradictions mineures. Combien Mais le fond, le fond du débat, le fond du fonctionnement du, CNDP, l'essence même de la, convocation de CNDP au niveau des groupes, ça n'a jamais été remis en cause. Dans leur réponse, dans leurs courriers qu'ils ont envoyé régulièrement chaque fois qu'on convoque le CNDP, tous les groupes disent vraiment, ils évoquent certaines questions de forme, mais par rapport au principe de la réunion, par rapport au principe du CNDP, du fonctionnement du CNDP, tous sont d'accord. Voilà, en termes de conclusion, il faut retenir que tous les trois blocs politiques, à savoir la majorité présidentielle, l'opposition politique et les non-affiliés, sont favorables à une reprise rapide des discussions au sein du Conseil national du dialogue politique pour l'intérêt supérieur du Niger. Et nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Yahya Garba, secrétaire permanent du Conseil national du dialogue politique, Ali Maman, membre du bureau politique national du RDR Tchangi, Siraji Saka, secrétaire à la communication du bureau politique national du MPR Yamouria, Inoussa Ambali du CPNP Africawa, membre du Front des partis non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger. Merci aussi à nos auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir. Thank you.